En politique, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils sont tous pareils. Nous venons de voir les résultats de la députation. Nous souhaitons que ceux qui ont obtenu des sièges travaillent pour le peuple et pour ceux qui n'ont pas obtenu de sièges, d'être passés.